le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse qui a lieu tous les vendredis soirs à partir de 18h15 Ce soir, nous sommes avec les confrères de la presse écrite et audiovisuelle pour une analyse de l'actualité de la semaine. Avec nous au studio, Elaj Suleiman, journaliste au journal Le Républicain. Bonsoir, Suleiman. Bonsoir. Garé Amadou du journal euh, L'événement. Bonsoir Garé. Bonsoir. Merci d'être venu et nous attendons d'un moment à l'autre euh, Mustapha Mamansani, journaliste à la radio-télévision Ténéré. Ce soir, euh, nous allons discuter des rencontres des chefs d'État des pays membres du Conseil de l'Entente qui a lieu ici même à Niamey et du sommet de l'Union africaine qui se tiennent depuis dimanche à Kigali au Rwanda. L'importance de ces organisations régionales dans le développement socio-économique des pays membres sera au centre de nos échanges. Plusieurs rencontres ont eu lieu ces derniers jours sur le projet du barrage hydroélectrique de Kandaji. Où en étant réellement de ce programme Que faire pour que le rêve, devienne enfin une réalité Nous en parlerons dans ce forum. Nous ferons également un point sur la condamnation cette semaine de Soumana Sanda, coordinateur régional du Niamey du parti moderne Falomana et six autres de ses camarades. Enfin, la répartition du fonds d'aide à la presse à une somme de 250 millions a été répartie entre les organes de presse privés, force et faiblesse de l'allocation de ce fonds. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le forum de la presse. Lundi dernier s'est tenue à Niamey une rencontre des chefs d'État des pays membres du Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente, pour rappel, est une organisation de coopération régionale de l'Afrique de l'Ouest créée en 1959, faisant d'elle l'une des premières organisations de coopération de la sous-région ouest africaine. Cinq pays sont membres, à savoir la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Ce Conseil de l'entente s'intéresse aux questions d'ordre politique et sécuritaire. En prélude à ces sommets, il vous souviendra que samedi dernier, une réunion ministérielle s'était tenue pour proposer des mesures à prendre. Il s'agit entre autres de la proposition de l'institution d'une réunion annuelle du ministre des Affaires de, du ministre des Affaires de la Sécurité, la recommandation de l'adoption du mécanisme d'évaluation par les pairs pour l'évaluation de la gouvernance dans les pays membres. Alors, euh, nous allons commencer par euh, vous, Suleiman, euh, du journal Le Républicain. Selon vous, comment voyez-vous les initiatives de cette organisation, le Conseil de l'Entente ben, Je pense que le sentiment général, c'est que la réunion s'est bien passée. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Euh, je pense que aussi une note euh, appréciable, c'est que c'est notre pays qui a trois ans durant dirigé cette organisation, euh, comme dirait un confrère moribonde. Donc on pense à l'actif de, de, de, de, notre pays, du président de la République, d'avoir vraiment donné un nouveau souffle à l'organisation. Mais bon, je pense que c'est un cadre donc euh, inter-État donc qui, qui, est là. Mais il me paraît évident que c'était bien de voir euh, tout le monde euh, venir. Mais l'autre aspect, c'était vraiment qui me semble très intéressant en ce moment de sécurité, en ce moment de, de, où vraiment, à l'évidence, aucun pays n'est épargné, comme il a été mis en évidence. les terroristes ne font pas de quartiers. Euh, donc dire qu'effectivement, autant au niveau du lac Tchad, on a une force commune, euh, vouloir s'étendre ça au niveau donc, euh, de la sous-région, c'est une mesure, je pense, envisagée, très intéressante pour véritablement euh, mutualiser nos, efforts, euh, parce que je pense que c'est un défi important en ce moment, la question de la sécurité. On va en venir par rapport à cet aspect sécuritaire, mais par, toujours euh, ce conseil de l'entente, il y a certaines personnes qui pensent que c'est une organisation qui fait le double à la CDAO. Vous voyez là une complémentarité, vous, ou une concurrence à la CDAO Bon, vous, vous savez, en réalité, les institutions euh, ne valent que ce que les hommes euh, eux-mêmes qui sont chargés de les animer euh, sont, ou bien ce qu'ils veulent imprimer comme, action. donc je pense que si ça continue de, de, de, c'est parce que véritablement, il a une raison d'être. Sinon, autrement, euh, je pense que euh, ils allaient arrêter ça pour justement se dire qu'on va euh, en tout cas revoir nos, Donc bref, je pense que c'est toujours en tout cas une bonne chose. cest vrai dire que ici c'est un certain nombre d'États qui ont des défis communs à, à relever. N'empêche que donc de manière éclatée ils peuvent justement euh, réfléchir ensemble euh, par rapport à leurs intérêts communs. Autant, effectivement, au, niveau de l'institution maintenant un peu euh, mère, aussi continuer donc la réflexion ensemble. Euh, Gare Amadou Oui, Le conseil de l'entente, complémentarité ou concurrence pour la CDAO Non, vous savez, et, ceux qui disent ça, euh, les mauvaises langues qui disent que euh, oui, euh, c'est un peu le Conseil de l'entente, c'est un peu une doublure de la CDAO. Ils n'ont rien compris. D'abord, c'est pas les mêmes États qui composent le Conseil de l'entente et la CDAO. Ensuite, une unité au sein d'une famille, ça facilite l'unité au sein d'un pays. Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire que les petits regroupements, on commence les petits regroupements, les petits regroupements facilitent les grands regroupements. C'est un principe qui est clair, qui est connu. Vous comprenez Donc, il y a ce qu'on appelle la, coopération bilatérale, il y a la coopération multilatérale. Ce sont l'ensemble de ces, processus-là qui facilitent les grandes unions. La CDAO, la CEMAC facilitent quelque part euh, l'OIA. vous comprenez Parce que c'est des grands ensembles, c'est des grands regroupements. Si déjà on commence à s'entendre, c'est déjà très bien. Ensuite, je l'ai dit, la composition du, Conseil de l'entente, n'est pas la même chose que la composition de la CDAO. Cinq membres et de l'autre côté 15 cinq membres. Oui, de l'autre côté 15 membres. Et j'ai dit, euh, euh, euh, si entre dans une même famille, eh, eh, les membres de la famille commencent par s'entendre, eh bien, ça fait en sorte que si dans chaque famille, les gens s'entendent, tout le quartier reste en paix. Tout le quartier, c'est ça en fait le principe, vous comprenez Donc, je pense que c'est un processus de base communicant. Il faut que les gens comprennent une chose, le Conseil de l'entente est une institution qui a été rendue utile, c'est vrai, comme l'a dit Suleiman, par le président de la République. Parce que quand il était venu, le Conseil de l'entente était l'ombre de lui-même. Les cotisations des pays ne venaient pas, n'est-ce pas Il a dit, mais attention, ce Conseil de l'entente, il a fait ses preuves pendant les années, les, nous années 80. Ne le sont pas sur ce Conseil de l'entente-là. Et aujourd'hui, cette réunion du Conseil de l'entente, elle s'est axée sur deux, thèmes principaux. Le thème de la sécurité et le thème de la bonne gouvernance, le principe de, l'évaluation par, eh, concernant la bonne gouvernance. Alors justement par rapport à ces thèmes de la sécurité, on avait entendu le président Issoufou qui faisait, euh, qui évoquait l'idée de, la constitution d'une force euh, mixte entre ces pays membres, à l'image de la force mixte multinationale qui, euh, qui est en action dans le lac Tchad. Mhm. Oui. c'est Comment vous trouvez cette idée C'est une très belle initiative parce que la particularité justement de ces pays du Conseil de l'entente, c'est que pratiquement tous les pays ont été attaqués par le terrorisme. À l'exception du Togo À l'exception du Togo, bien sûr, n'est-ce pas Presque tout le pays. Et à l'exception, si on peut le dire, du, Bénin, n'est-ce pas Bon, mais le Niger a été attaqué. Déjà, l'attaque de la garnison d'Agadez, n'est-ce pas L'attaque de la prison civile de Niamey, Boko Haram à Difa, les attaques à Walam, etc., etc. J'en passe. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas et, à Ouagadougou, il y a l'hôtel, l'hôtel, l'hôtel Splendide, je crois, n'est-ce pas Il y a Grand Bassam à Abidjan, etc., etc. Mali, il y a l'hôtel euh, Radisson Blue à Bamako. Donc, ces pays-là ont la particularité d'avoir été attaqués dans leur chair par le terrorisme. Alors, étant donné que le Conseil de l'entente existe, pourquoi ne pas créer une force Dans tous les cas, les gens vont dire, ah oui, oui, il y a le rôle sera Le rôle sera, en tout cas, de coordonner la lutte contre le terrorisme entre ces pays-là. C'est ça le, but essentiel, vous comprenez Parce que le maître mot, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, c'est la coordination de, des forces. Vous avez vu ce qui se passe en France, on, est encore à ce sujet-là. Euh, hein? euh, je suis d'accord avec euh, ce que Gary, vient de dire, et je suis d'autant d'accord que j'ai participé à un atelier récemment au Grand Bassam à, en, Côte d'Ivoire, où il y a un général comme expert qui a fait un exposé sur la question de la sécurité, qui montre véritablement la nécessité euh, que, en tout cas, nos pays arrivent à, se regrouper, en tout cas à se concerter. Par exemple, la question du, tabac qui finance les, terroristes. Il a expliqué de manière technique comment euh, le tabac, les conteneurs de tabac quittent la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry pour passer euh, dans le désert et aller en Afrique du, du Nord. Donc, vous voyez, euh, ça c'est un aspect. Et tout le monde sait, il a dit, effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas surprenant qu'on trouve des, des, des, terroristes qui sont plus armés que les armées régulières, parce qu'effectivement, ils ont des moyens de, de, de, se ressourcer, de, se financer. Et il dit, véritablement, si on veut assécher le système de financement, il faudrait justement cette euh, euh, mutualisation des efforts, cette, en tout cas, coopération par nos, nos, nos douanes, donc, euh, ça, c'est un, un, aspect. Mais je pense aussi de façon générale, si effectivement nous avons dans la sous-région, ici, au lac donc cette force mixte, et de l'autre côté aussi, euh, en Afrique de l'Ouest, donc on a, je veux dire, une, seconde force, je pense que, et surtout, véritablement, avec maintenant aussi la MINISMA qui a en tout cas une autre mission offensive, je pense que de ce point de vue-là, on peut considérer que en tout cas les États, euh, en tout cas les conditions de possibilité d'une action en tout cas efficace pour lutter contre le en tout cas, euh, se dessine. Euh, je pense que c'est une très bonne chose, euh, l'idée de créer une autre force mixte. Pour abonder toujours dans ce, dans ce sens de, terrorisme, d'attaque, hier soir seulement, oh, la France a été victime d'une énième attaque à, à, la suite de la commémoration du 14 juillet date de la prise de la Bastille. Un véhicule, un, camion a foncé sur une foule nombreuse et a fait des victimes. Environ 80 personnes ont trouvé la mort. Décidément, on peut dire que aucun pays au monde n'est épargné. Pourquoi, à, votre avis, pourquoi ces attaques répétitives contre la France ces derniers, ces mois, ces Je, viens de voir la, dans les mises à jour, c'est 84 euh, morts. Euh, il me paraît évident qu'il faut d'abord saluer vraiment euh, la mémoire de, ceux qui sont euh, en tout cas morts. Il me paraît en tout cas évident que c'est regrettable, c'est regrettable qu'on arrive vraiment à une telle euh, bassesse. Je veux dire que euh, l'humain aujourd'hui, euh, on est dans une sorte vraiment, excusez-moi, de, bêtises humaines. C'est-à-dire que les gens se posent la question aujourd'hui parce que vous voyez, ce qui est encore plus étonnant, c'est que j'ai entendu François Hollande dire qu'en tout cas, ils vont étendre, la mesure de, de, comment ils appellent l'exception là l'état d'urgence. L'état d'urgence. Euh, vous voyez, euh, c'est ça en fait aujourd'hui qui doit interpeller tout le monde. Lorsque les grands pays, nous comptons vraiment entre guillemets d'une certaine façon euh, par ces grandes puissances, vous voyez, mais lorsque eux-mêmes ne sont pas épargnés. Et vous voyez par exemple aussi, c'est dans les aéroports que les terroristes aujourd'hui opèrent. Dans ces conditions-là, franchement parlant, on se pose vraiment des questions où est-ce qu'on va mais pour la France, pourquoi vous pensez Vous pensez qu'il y a une raison derrière toutes ces... François Hollande a dit que le terrorisme n'est pas, à, euh, à, euh, euh, pas épargné la thèse donc, terroriste. Je pense que véritablement, moi, de, mon point de vue, selon mon analyse, en tout cas, je pense que comme l'a dit Rousseau, l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le rend mauvais ou méchant, mais je pense que ici c'est le système qui est en cause le système mondial, je veux dire, euh, capitalisant. Donc, euh, Amadou, selon vous, c'est le système. Euh, oui, d'abord, j'exprime vraiment mes condoléances aux familles des, pauvres innocents qui, qui, sont morts parce que le problème, c'est que c'est les, les, grandes puissances qui créent les guerres, mais c'est les innocents qui payent. Vous comprenez Ces gens-là qui étaient au défilé du 14 juillet, ils n'ont rien demandé, ils voulaient tout simplement fêter. Il y avait les pétards, etc., etc., les feux d'artifice. Ils ne demandaient pas autre chose, n'est-ce pas des, vieillards, des, femmes, des enfants qui ont été piétinés par un camion. C'est absurde. C'est donc c'est vraiment une condamnation forme du terrorisme. Maintenant, comme vous l'avez demandé, pourquoi la France le problème, c'est qu'on récolte souvent les conséquences de ce qu'on a sémé. Vous comprenez Je m'explique. La France a sémé. La France, non, la France fait preuve d'un certain zèle dans le cadre de la lutte contre le terrorisme La France d'abord a créé la Chalie à Libye. C'est Sarkozy qui a créé la guerre à Libye. N'est-ce pas La France a créé Daesh, la, section libyenne de Daesh. De la même façon que George Bush a créé Daesh en Irak et en Syrie. Ils sont partis, ils ont assassiné Saddam Hussein sur des fallacieux prétextes. On disait que oui, euh, il produisait du, gaz toxique, etc. etc. C'était une... On se souvient de Colin Powell qui avait brandi une fiole. et après, on s'est rendu compte que la fiole là, qui contenait le liquide journal, c'était une fiole bidon. C'était faux. Saddam Hussein, en tout cas, ne fabriquait pas d'armes de, destruction massive. Ils l'ont pendu, ils ont mis le pays en désordre et l'État islamique s'est installé. Ce sont les grandes puissances qui créent les sources de leur propre mal. Moi, je, les entends bien. Je vois Hollande dire oui, euh, le terrorisme, euh, euh, personne. Mais quelqu'un qui décide de tuer des gens et de mourir, vous ne pouvez rien faire. Et c'est la preuve palpable. La France est très vulnérable, elle est impuissante. Parce que quand on voit le discours de Hollande, c'est c'est triste. Parce qu'ils se rendent compte que ne, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme parce que c'est une idéologie. Même si Daesh est détruite en Irak, même si Daesh est détruite en Syrie, je vous assure que l'idéologie terroriste, c'est pas en un jour. C'est, les beaux discours, c'est bien joli, mais c'est pas comme ça. Je l'ai entendu dire que oui, oui, on va engager d'autres troupes pour essayer de vaincre Daesh. Vaincre Daesh ne veut pas, euh, mettre La solution n'est pas alors militaire. La solution n'est pas militaire. Il faut qu'il y ait plus de justice dans le monde. Je l'ai toujours dit sur ce plateau-là. Et vous voyez le, malheur de ces pauvres Palestiniens-là. Ils avaient leur terre. Des gens sont venus. Ils ont pris leur terre. Ils ont installé Israël, n'est-ce pas Qui a violé plus de 1000 résolutions des Nations Unies. 1000 Si aujourd'hui le Niger euh, euh, viole une résolution des Nations Unies, vous allez voir ce qui va se passer. Mais Israël a violé plus de 1000. Le dernier décompte que j'avais fait en 2013, c'était 1200 même. Résolution des Nations Unies, qui ont été copieusement violées. Donc, selon vous, tous ces attentats, toutes ces euh, attaques, c'est l'injustice Non, si Moi, je pense, dans un monde plus juste, vous comprenez Si le monde pouvait être plus juste, ça réduirait beaucoup de malheurs. Mais je vous assure. Oui, donc, pour, conclure, j'ai dit, c'est bien de faire la guerre aux, terroristes. C'est extrêmement important. Mais il faut que l'on sache une chose, c'est pas par les armes qu'on va vaincre le terrorisme, c'est pas plus de justice. seulement pas par les armes qu'on arrive à en fait, un aspect très important, la thèse aussi qui consiste à dire que les gens tuent les gens au nom de, Dieu, au nom de la religion. Récemment, en attaquant les lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite, cela, je pense, euh, remet en cause cette thèse. En tout cas, d'une certaine façon, on peut considérer que vraiment c'est une lutte politicienne. Les gens tuent les gens pour d'autres raisons, pas pour des raisons de la religion. C'est un avis, je pense, euh, c'est un fait. 18h passé de 32 minutes, euh, le forum du studio Kalango se poursuit. Je le disais en titre, le 27e sommet de l'Union africaine débuté depuis le dimanche dernier et s'est poursuivi jusqu'au 18 juillet à Kigali en Rwanda. Le président Issoufou Mamadou s'est d'ailleurs rendu ce matin. Cette année, le sommet a porté thème 2016, année africaine des droits de l'homme, avec un accent particulier sur les droits des femmes. La succession à la tête de la Commission africaine de Nkosa Zamna, Zuma, la lutte contre le terrorisme, la crise burundaise et la mise en place d'un passeport africain unique sont entre autres les principaux sujets qui seront débattus par les chefs d'État et de gouvernement africains. Alors, Gary, quel est le dossier brûlant sur lequel ce sommet doit mettre particulièrement l'accent, selon vous Oui, moi je pense que la question du passeport unique, ça c'est formidable. Si ça pouvait se concrétiser, ça serait vraiment magnifique. Un seul passeport pour tout le continent africain. Vraiment, si les chefs d'État peuvent s'accorder, ils ont dit que pour le moment, c'est des passeports qui vont être faits pour les chefs d'État n'est-ce pas cest à que chef d'État n'aura pas besoin de faire de, Donc ça sera fait pour les chefs d'État. Mais ils ont bien expliqué que ce n'est pas seulement les chefs d'État et les diplomates que ça va être progressif et tous les citoyens africains auront un seul et unique passeport. Ça permet de faciliter les voyages vers l'Europe vers les États-Unis, etc., etc. Le passeport africain. Moi, je pense que c'est vraiment la trouvaille. Vous ne trouvez aucun inconvénient hein, par rapport à ce passeport unique Non, je pense que ça va permettre, la, la, la, ça va peut-être accélérer même la libre circulation en Afrique des personnes et des biens. Moi, je pense que le passeport unique, c'est vraiment, ça sera, euh, en tout cas, euh, euh, un ouf de soulagement pour, pour les citoyens du continent. Ça va permettre peut-être de, de, de lancer, de relancer la question des États-Unis d'Afrique. Suleiman votre avis, vous partagez son avis L'idée est belle, maintenant c'est la mise en œuvre, parce que jusqu'à présent, avec le passeport, par exemple, CDAO, nos, nos frères qui, quand ils voyagent, ce n'est pas évident au niveau de la mise en œuvre. de se faire acquitter par des, des, des, des, gens sur la route il suffit d'être au Niger, euh, tu es ivoirien, tu vas voir souvent le traitement que tu subis. En fait, euh, je veux dire que vraiment tout est une question de mise en œuvre. Euh, l'idée, elle est belle. et ça, je pense que c'est des actes qui symbolent dans le sens de, de, l'union, bien que ce qu'a fait aujourd'hui la Grande-Bretagne n'est pas de nature à, <laughs> à, encourager les choses. Bon, bref, c'est une autre affaire. Là. Est-ce que vous ne pensez pas que euh, ce, passeport unique, s'il arrivait à être adopté, peut, euh, d'une manière ou d'une autre, influencer la migration je pense que justement, c'est en problème à ces considérations que ces choses-là sont conçues. C'était bien, justement, entre autres mesures palliatives euh, dans ce sens. Mais moi, particulièrement, euh, au-delà de cela, quand vous parlez de priorités, et au niveau de cette rencontre de l'Union africaine, un aspect très important qui me semble euh, aujourd'hui qui fait problème en Afrique, pourquoi les chefs d'État africains ne veulent pas s'arrêter à partir de leurs deux mandats pourquoi aujourd'hui on ne peut pas au niveau du continent décider que véritablement plus jamais dans aucun pays tu fais si tu as, si tu as deux mandats à faire, il n'y a plus de troisième mandat. Mais je me rends compte de plus en plus euh, les gens prennent goût à cette euh, mauvaise pratique et je pense qu'en termes de droits de l'homme c'est aussi une question fondamentale que vraiment qu'on ne puisse plus. Mais pourquoi ailleurs, au, en, Occident, par exemple, euh, Obama, Obama et les jeunes, il bien faire deux mandats, mais ce n'est pas possible ne peut même pas euh, avoir ça à l'esprit. Mais chez nous, en tout cas, aujourd'hui, on voit par exemple euh, au, Rwanda, euh, beaucoup de cas aujourd'hui, par exemple, dans beaucoup de cas, même ceux qui ont pris des engagements de ne pas le faire, on leur prête l'intention de le faire. Est-ce que vous pensez que, c'est une question qui doit être réglée au niveau de l'Union africaine Même si ces genres de décisions venaient à être prendre le respect est-ce que vous pensez que le respect va être garanti Justement, par exemple, on voit le cas burundais qui pose. Moi, je pense qu'en réalité, si c'est concerté, c'est décidé de manière concertée, il y a des sanctions qui peuvent dire, en tout cas, qui peuvent euh, décourager les candidats à, le faire. Par exemple, vous voyez, aujourd'hui, euh, c'est aussi cela, en tout cas, le primo Ibrahim, en tout cas, qui n'arrive pas, euh, par exemple, même cette année, à, trouver un candidat. Parce que simplement, c'est vraiment assez critique sur la bonne gouvernance en Afrique. Cela veut dire que quand vous parlez de droits de l'homme euh, comme, comme question essentielle, il faut d'abord commencer à la question de leadership au niveau du continent. Ça, me semble en tout cas la prière d'angle qui doit vraiment euh, baliser le terrain, quoi, en tout cas comme élément essentiel. Mais lorsqu'on vient, vient au, pouvoir, on pense qu'il faut s'éterniser à vie. Euh, je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Garé, un des, thèmes, notamment nous en avons parlé tout à l'heure, c'est le terrorisme. Est-ce qu'il faut s'attendre à des grandes décisions par rapport à cette question Parce que presque beaucoup de pays africains souffrent de ce problème. Non, vous savez, moi j'ai comme l'impression que les institutions sous-régionales sont plus importantes, elles sont plus efficaces que l'Union africaine. L'Union africaine, c'est presque, presque un défilé de mode, c'est-à-dire, bon, c'est un show. Vous comprenez Les gens vont, ils se paradent, on fait des grands discours, chacun vient, il fait un discours, blablabla. Bla, bla, bla, Après, bon, il ne ressort rien. C'est-à-dire que l'utilité de l'Union africaine, elle, est remise en, tant qu'institution. L'Union africaine n'a même pas réussi à mettre en place une force. En tout cas efficace, parce que la force de l'Union africaine, on en parle, c'est vrai, on dit que la MISOM est en Somalie, etc., etc. Mais véritablement une force de l'Union africaine qui peut intervenir dans tous les pays ça reste encore à, se réaliser. Donc, moi, je pense que euh, euh, l'Union africaine, elle a encore des efforts à faire. Les chefs d'État se réunissent. Et puis d'ailleurs, euh, concernant la, question de la gouvernance dont parlait Suleiman, <laughs> moi je suis un peu, je suis, ça me fait, ça me fait de la peine. Mais le pays même qui, qui accueille le sommet. Vous parlez du Rwanda. Du Rwanda, Paul Kagame, il a modifié la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Vous savez depuis combien d'années il est au pouvoir Depuis 1994. Mais quand même, non. C'est-à-dire qu'il y, a des, y a des sujets, je pense que c'est même pas la peine de les aborder parce que vous risquez de vous, risquez de vous ridiculiser. Vous faites un sommet au Rwanda où le président, le président a modifié la constitution pour vivre au pouvoir ad vitam aeternam. C'est-à-dire que lui, il est là jusqu'à la fin pratiquement de sa vie. Ce pas des bons exemples, n'est-ce pas Vous avez Mugabe qui a fait plus de, je ne sais pas, 30 combien d'années. Vous avez El Béchir, on a même oublié depuis quand il est arrivé au pouvoir n'est-ce pas Contre qui a un mandat d'arrêt international et qui, vient au, Rwanda, etc. Beaucoup de chefs d'État qui ont... on peut discuter de tout sauf... Non, je vais vous dire une chose. vous savez, c'est une famille, les chefs d'État. Vous comprenez quand ils se quel réunissent, Ils sont une famille. Quand ils se réunissent, ils prendront certainement pas les décisions qui vont leur faire mal eux-mêmes. Vous comprenez C'est-à-dire que même si, par exemple, ils arrivent à dire que, bon, euh, concernant même la promotion des droits de la femme, quels sont les pays qui font en sorte que le quota des femmes au sein des institutions soit respecté. Je pense que le Niger est l'un des pays qui fait le plus d'efforts. Je ne dis pas que le Niger a fait le quota de 30% là qu'on exige là. N'est-ce pas Mais le Niger est un des pays qui fait quand même le plus d'efforts. Et je crois qu'on a cité une dizaine de pays partout en Afrique qui font pratiquement des efforts parmi tous les 53 pays qui font des efforts pour faire en sorte que les femmes puissent être mieux représentées dans les institutions. le Niger est en train de traîner ces derniers temps, oui. on a constaté. Bon, je pense que... Euh, l'Assemblée, la, nouvelle euh, Assemblée... oui, parfois, c'est-à-dire au gré de... Ça n'a pas été oui, au gré de certains, et le gouvernement aussi. Oui, ça n'a pas été respecté au gré de certaines... Mais j'ai dit, c'est toujours mieux que certains, certains autres pays, n'est-ce pas, qui ne font même pas les 10%. Vous comprenez Mais le Rwanda, dans ce domaine, est un exemple. Ça, quand même, je le reconnais, le Rwanda est un pays, dans le cadre de la promotion de la femme, qui constitue un exemple pour le continent. Suleiman euh, Bon, je pense que, vous savez, c'est un grand débat. Il y a beaucoup de considérations et je pense qu'il faut des gestes forts pour booster justement la question de la femme. Mais au finish, une fois on a échangé sur la question, il faut viser la parité, il faut viser justement à ce que les femmes fassent avancer les choses. Et ces chefs d'État ne vont jamais leur octroyer ça comme euh, sur un plateau d'argent. Donc c'est un rapport de, force, c'est vrai, et il faut, il faut le faire pour appuyer euh, les, causes euh, féminines. Mais je pense qu'il y a un travail à faire au niveau des femmes elles-mêmes, quoi, à s'organiser pour se battre, faire prévaloir leurs compétences partout. Nous allons passer à un autre sujet, c'est sur le barrage Kandaji. Une délégation nigérienne, vous vous souviendrez, conduite par le Premier ministre, s'est rendue il y a quelques jours euh, au Mali pour associer ce dernier euh, dans ce vaste projet, notamment dans le volet réinstallation des populations. Euh, dernièrement aussi, on a vu une autre réunion de haut niveau qui s'est tenue mardi dernier à la primature sur l'état de mise en œuvre du barrage Kandaji. Cette réunion a regroupé tous les ministères techniques concernés par le barrage et les bailleurs de fonds. Objectif passé a revu l'avancement des travaux. La réunion a été présidée par euh, le Premier ministre Brigitte Raffini. Elle a été sanctionnée par une synthèse. Suivant un extrait de la synthèse lui par Oumoudou Mahmoudou, c'est le ministre directeur de cabinet à la présidence de la République. Nous avons discuté de la question de la cote euh, du barrage, parce que la cote euh, du barrage détermine la dimension de l'ouvrage et nous avons convenu qu'il faut faire le barrage à la cote euh, de 228 mètres. C'est une cote qui permet de garantir un débit d'écoulement du fleuve à l'étillage de 120 mètres cubes secondes au niveau de la ville de Niamey. Nous avons également discuté du financement de la deuxième phase du plan d'aménagement et de réinstallation des populations. L'étude va être lancée incessamment pour une durée de un an et à l'issue de cette étude, un certain nombre d'activités vont être entreprises dans le cadre de ce plan d'aménagement et de réinstallation des populations. C'est notamment tout ce qui est la réalisation des infrastructures sociales, les aménagements hydro-agricoles pour compenser les terres qui auraient été immergées. Il a été prévu que la construction de l'ouvrage, l'appel d'offres puisse être lancé dès, dès novembre 2016 afin que les travaux puissent se dérouler sur une période de 55 mois. Alors, vous venez d'écouter Oumoudou Mamadou, ministre directeur de cabinet à la présidence. Gary Amadou, un commentaire sur ces propos Oui, je pense que euh, euh, ce, ce, rêve du barrage de Kandaji, j'ai comme l'impression que cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai comme l'impression que le président de la République veut finir son mandat avec la satisfaction d'avoir pu réaliser ce barrage de Kaddaji là. J'ai, je vous dis que j'ai l'impression, l'intime conviction que cette fois-ci, c'est la bonne. Parce qu'on a vu que les, noms se multiplient. Il faut quand même que pour une fois, que ce barrage là puisse voir le jour. Je pense que si le barrage n'est pas, n'est pas construit, ce serait un échec pour le président de la République. Et la mobilisation des ministres aujourd'hui, la mobilisation des barres de fonds prouve que peut-être que cette fois-ci, on est sur la bonne voie ce qui va permettre au Niger un peu de, de, lutter un peu plus contre l'insuffisance alimentaire et puis eh, l'approvisionnement en électricité. Mais je pense que je pense que les réunions prouvent que euh, cette fois-ci, le sujet a été pris à barre le corps et que on est sur la bonne voie. Comment vous expliquez ce regain d'intérêt soudain des autorités vis à Non, ce regain d'intérêt soudain, je vous dis, c'est dû au fait que, selon moi, je peux me tromper, hein, est dû au fait que le président sait que c'est son dernier mandat et qu'il a, il veut, il veut finir ce mandat-là avec la satisfaction que lui, il a pu réaliser ce barrage de Kandaji. Je vous dis, c'est le fil conducteur, c'est la principale motivation. Le président veut faire ce barrage-là sous ce mandat-là. Vous avez vu, le, ministre Oumourou parle de 55 mois. Ça veut dire que dans les prévisions, ce barrage-là va être fini avant la fin de ce mandat-là. Le président veut avoir la satisfaction, lui, que ce projet-là qui a été traîné depuis les indépendances, que lui, il a pu le réaliser au grand bénéfice des Nigériens. Voilà ce qui explique cette mobilisation. Suleiman, vous avez écouté le ministre directeur de cabinet Oumoudou Mamadou. Qu'est-ce que vous pouvez dire, un commentaire d'abord sur euh, ce qu'il vient de dire Oui, euh, en fait, euh, de façon générale, mon sentiment, c'est qu'il faut se méfier des effets d'annonce parce que ce n'est pas la première fois. Je me souviens sous Tangia Mamadou, bien avant, en réalité, sur le barrage de Kandaji, toujours il y a des de, de communication qu'on glisse au, à l'endroit des citoyens que ça va aller, vous voyez. Mais euh, aussi, il faut se rappeler aussi, je pense, ce qui explique euh, d'une certaine manière ce regard de, de, de, de communication, c'est aussi il y a quelques semaines euh, aussi, certains esprits ont semé le doute euh, sur même euh, l'abandon pour certains barres de fonds dans la Banque mondiale. En tout cas, vous voyez, mais tout le monde est là, tous les barres de fonds ont été cités, tout le monde est là. Je pense que, en tout cas, pour rejoindre Gary, je pense, j'ai suivi le président de la République en personne parler effectivement d'abord à travers ce qu'il est en train, ce qu'ils sont en train de faire là. Il parle de la continuité de l'État. Donc, elle a affirmé que véritablement c'était les acquis de tout ce qui a été entrepris sur la question. Euh, mais aussi, je pense que, franchement, comme vous le savez, la volonté politique, c'est très, très important pour faire aboutir les choses. Lorsqu'on euh, s'arrête euh, sur une chose, en tout cas, qui a transversé, vraiment, il faut le reconnaître, l'affaire des Russes les, qui, nous ont vraiment retardés. je pense que on a comme l'impression cette fois-ci, donc ils ont débloqué euh, la, situation et je pense que c'est le rêve de tout le monde. Tout le monde attend justement euh, de voir ce, barrage pour le bien du pays, pour le bien de, la population. On parle d'environ 11 bailleurs de fonds qui sont présents et la mise en service du barrage est probablement pour 2020-2021. Donc, euh, peut-on dire que le rêve nigérien tant passe de devenir une réalité, vraiment bon, là n'est pas important, c'est que aussi qu'on ne vienne pas dire aux gens euh, que en tout cas euh, il faut un autre délai ou bien que euh, il y a quelque quoi dans la mise en œuvre. Je pense que c'est ça le vraiment qu'on focus là sur ce qu'on nous a dit vraiment on, on pense que les choses vont vont se faire. Aussi, je pense que la garantie, lorsqu'on dit que les barres de fond sont, là et que vraiment tout. En tout cas, on, a, on, a, suivi vraiment le Premier ministre, en tout cas, tout ce qu'ils ont dit, je pense qu'il y a des garanties. Maintenant, entre ce qu'on dit et ce qui va être fait, là, c'est autre chose. Garé, vous voulez ajouter quelque chose Oui, je pense qu'il ne faut pas aussi. Euh, euh, c'est vrai, moi, j'ai dit que j'ai le sentiment que cette fois-ci c'est la bonne, <laughs> mais, mais je me méfie aussi. Parce que le premier projet qui a été dirigé par le russe a été un désastre. Vous comprenez Il ne faut pas encore qu'on en tombe encore. C'est-à-dire que euh, il faut que les gens comprennent une choses les Nigériens sont fatigués de ce qu'on appelle ces éléphants blancs-là. C'est-à-dire que des projets, des projets enfin, qui n'existent pas en réalité, mais qu'on chante aux gens, qu'on chante aux gens. Il ne faut pas que ce, ce, ce, projet-là soit un éléphant blanc. Il faut que ce projet-là soit un projet concret. Et on a vu, le, ministre a parlé de 55 mois. Ça veut dire qu'en principe, les Nigériens s'attendent à ce que ce projet-là soit concrétisé avant la fin de ce mandat. Et les Nigériens, ils ont pris, ils ont pris note. Hein. Il ne faut pas que les gens pensent que les gens n'ont pas. Les gens ont pris note. Hein. Les la note Et le jour J, je vous dis, en 2020, eh bien, <laughs> le jour où, euh, ce sera l'heure du bilan, les gens vont dire, mais écoutez, vous nous avez dit, au mois de juillet 2016, euh, vous avez dit que dans 55 mois, on aura le barrage. Et jusqu'à présent, on ne voit même pas les terrassements. Qu'est-ce qui se passe Mais est-ce que vous pensez que c'est une crainte pour les autorités euh, de nos pays Vous savez, même... Rendre compte oui, c'est pas, oui, c'est une crainte pour le, c'est une crainte pour le pays. Moi, je pense que surtout pour le président de la République. Il est pour lui, dans son dernier mandat. Oui, oui. En tout cas, en tout cas, il a dit qu'il veut, qu'il veut quitter pas sur la pointe des pieds, n'est-ce pas Il ne veut pas quitter en rasant les murs. Il veut quitter par la grande porte. Et en a la satisfaction d'avoir pu réaliser un projet qui était considéré comme chimérique par beaucoup de par beaucoup de Nigériens, en tout cas depuis les indépendances que ça traîne. Lui, il aimerait même qu'on dise que lui, il a pu le concrétiser. Mais j'ai dit, il faut que les gens sachent une chose les Nigériens ont enregistré que le projet est censé durer 55 mois. Donc, quand on fait le décompte, vous avez parlé de 2020, Donc, en 2020, nous voulons qu'un barrage, un bon du le barrage de Kandaji, voit le jour. Point. Un autre sujet du forum de ce soir, c'est l'affaire de Soumana Sanda le coordinateur régional euh, de Niamey du parti Modern Falomana, cette semaine, euh, vous avez vu, euh, ce dernier a été condamné et six autres de ses camarades à 12 mois de prison, dont 10 mois fermes et 2 mois avec sursis pour organisation de manifestations armées ou non armées. Durant son incarcération, ce dernier a changé de statut car ayant été élu député national, ensuite désigné président du groupe parlementaire de son parti, le Modern Falumana, député condamné, n'est-ce pas là un scénario sans précédent au Niger, euh, Suleiman eh, ben, en réalité, nous sommes dans un État organisé où il y a des lois. Tout, cas de figure est considéré être géré par la loi. Ce n'est pas ça qui est important. Il a été, il était en fait déjà en prison avant d'être élu député. Eh, donc, euh, ce que, dans tous les cas, euh, sur la question de la condamnation, c'est clair si effectivement à un certain niveau de la condamnation, s'il perd ses droits civils et politiques, rien n'a fait, il va être remplacé par son suppléant. Apparemment, ce n'est pas le cas jusqu'à ce qu'on ait la précision. Mais je pense que quand l'autre élément qu'il faut considérer, c'est de constater le satisfait et par les avocats de la défense et aussi par les militants de son parti qu'on a suivi à la télévision, en tout cas tous, en ne faisant pas appel parce qu'il y a cet aspect-là. C'est une condamnation quand même. 10 mois de prison ferme, c'est déjà une condamnation. Mais avec tout cela, la défense a dit, qu'ils ne vont pas faire appel. Donc, autrement dit, c'est comme si vraiment euh, ils sont, sont satisfaits du, verdict. Parce que je pense aussi, on le sait, le procureur avait requis euh, trois ans ferme donc, on pense que c'est le moindre mal. Euh, j'ai lu mon confrère l'événement aujourd'hui qui dit qu'en réalité, c'est une euh, conjonction de circonstances. En faisant appel, euh, ça risque de compliquer la situation parce que je pense qu'il y a une certaine marge de condamnation de, temps. Si ça atteint, effectivement, il risque de perdre son, son poste de député. Alors, justement, nous avons l'événement ici, Garé Amadou. Vous pensez que le fait de ne pas faire appel à cette décision de justice est plutôt un avantage pour lui oui, vous savez, l'appel est toujours une sorte de tombola. C'est-à-dire que si on vous condamne pour, un an, si vous faites appel, vous prenez le risque d'être condamné à plus. Oui, l'appel c'est une tombola. C'est-à-dire que vous prenez le risque. Vous n'êtes pas content de ce verdict-là et puis vous dites non, non, je fais appel. Tout en sachant que, attention, parce que le verdict en appel peut être encore plus défavorable que celui qu'on a prononcé. Donc, ils ont fait des calculs. Les Ousmane Sanda ont fait 8 mois en prison on les a condamnés, oui, oui, on les a condamnés à un an, donne deux mois avec celui ci ça veut dire qu'ils n'ont que deux mois à faire. Bon, les avocats sont contents, les militants sont contents, dans deux mois, Souman de sort, n'est-ce pas Moi, je pense qu'ils ont fait les calculs nécessaires pour se dire qu'on ne prend pas de risque. Parce que, effectivement, si une autre condamnation encore plus, plus, lourde apparaît après ce, ce, il risque de perdre son immunité de député parce que, bon, on ne peut pas éternellement laisser vacant son poste. Les suppléants sont là. Et je ne suis pas sûr que les citoyens de ces gens-là veulent effectivement que ces gens-là soient libérés. Je suis cruel peut-être, n'est-ce pas Les gens vont dire que je suis cynique, mais, <laughs> si vous les interrogez, je ne suis pas sûr qu'ils soient contents que ceux-là qui sont censés remplacer vont reprendre leur place. Bon, donc, euh, ouais, il y a donc tous ces calculs-là euh, euh, qui, qui, qui, se font. Et puis, bon, les militants se disent, bon, je pense que c'est un monde normal. Ils n'ont que deux mois à faire. Ils vont faire leurs deux mois, ils vont sortir et ils vont peut-être, ils vont réintégrer leur peut-être leur place au sein de l'Assemblée nationale. Il y a en tout cas une polémique juridique encore qui, qui est née. On ne sait pas quel est leur statut après cette condamnation-là. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont réintégrer leur, leur député ou est-ce que ce, ce, ce, assez c'est un juriste que nous avons interrogé aux Républicains eh, tout dépendra euh, s'il y a une certaine limite de temps. C'est là, justement le risque de, l'appel. parce mhm. que si jamais il est condamné un an, par exemple, euh, ferme, euh, peut-être que les 10 mois ferme, n'est pas suffisant pour qu'il puisse être remplacé. Je ne sais pas encore, mais selon le juriste, effectivement, euh, en fait, toutes les questions de, Il a vraiment cité la loi organique. Euh, donc et d'autres disent aussi que, euh, étant donné que la décision, le verdict n'a pas demandé de de, le faire, de le faire priver de ses droits civiques. absolument, je pense qu'en c'est ça aussi. Je pense que les, les avocats de la, de, la défense étant donc apparemment euh, accès au dossier. Donc certainement ils savent les détails donc de, de, de la chose. C'est ça, moi j'ai dit en tout cas, j'ai suivi vraiment Madame Barry euh, le jour-là. Franchement, je sens une certaine euh, délectation de dire qu'en réalité, c'est vrai, elle dit on aurait voulu que son client soit libre aujourd'hui, mais bon, à quelque chose comme dirait l'autre. En fait, je pense que de ce point de vue-là, c'est une question de, de, de, de, loi. Euh, donc euh, l'important, moi je pense aussi, c'est aussi l'autre débat à faire euh, euh, c'est parce que nous, républicains, nous avons rappelé justement le fameux discours de Souman Hassan la veille de l'arrivée de Hamas le 13 euh, novembre, euh, pour voir ce qu'il a dit en tant que citoyen, c'est de dire véritablement nul au-dessus de la loi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de chantage à l'État. Alors nous allons aborder un dernier, un dernier sujet avant de il nous reste cinq minutes, c'est notamment la répartition du fonds d'aide à la presse qui a été rendu public cette semaine, 250 millions de francs CFA répartis comme suit, 45 millions pour la presse écrite, 65 millions pour les 9 radios et 140 millions à 11 télévisions, dont une en région. Euh, votre appréciation par rapport à l'allocation de ce fonds d'aide, faiblesse et force euh, Franchement, moi, je dirais mention spéciale au Conseil pour la, la communication. Pour deux raisons. Mhm. La première, c'est la rigueur avec laquelle ils ont distribué ce fonds. Et cette rigueur s'est matérialisée par le fait que quand vous regardez les médias de l'opposition étaient, sont plus cotés que les médias dits proches du pouvoir. C'est un, un, un, élément important d'analyse. Par exemple, Dunia est, est, la dernière télévision à voir. Et pourquoi moi, quand j'ai intéressé euh, les conseillers, on m'a dit qu'effectivement, leur dossier, ils ont présenté un dossier qui n'était pas à la hauteur. Donc cela voudrait que vraiment il y a de la rigueur dans le travail. RTT euh, euh, était, je crois, euh, la, première. Au niveau des journaux, le monde d'aujourd'hui est premier. Et tout le monde sait, le monde d'aujourd'hui, en fait, ce qu'il est capable en termes de, de, <laughs> critiques contre le régime. Vous ne pensez pas que pas c'est d'autres aspects ont dû jouer, notamment la cotisation des doivent, que certains médias doivent verser pour leurs, leur employés euh, Non, euh, justement, en réalité, ici, il est question, en fait, l'élément le plus important, c'est qu'il est question de bonne gouvernance au sein de, de, la presse privée. Mais bon, vous savez, moi je suis au, républicain, euh, le dossier a été fait d'une certaine façon, mais je, je, peux dire qu'il y a beaucoup de journaux qu'on a suivis qui n'ont pas, même pas les sièges, qui n'ont pas, en tout cas, bon, bref, donc qu'en réalité, ça nous interpelle, en tout cas au niveau de la presse privée à faire un peu la bonne gouvernance, à savoir que ce qui est demandé, parce qu'il faut quand même le reconnaître, euh, les conseillers l'ont dit dans la représentation du résultat, de, résultats, ils ont vraiment fait beaucoup de concessions. S'ils devaient appliquer rigoureusement la loi, beaucoup, beaucoup allaient être exclus dans ce Gare, Gare Amadou, Oui, je pense que, oui, je pense que euh, Force et faiblesse de, fonds, de ces fonds d'aide à la presse, 250 millions oui, C'est déjà la, force, c'est que le, montant a été augmenté. Vous savez que c'était 200 millions. Voilà, 200 millions. C'était d'abord à 5 ah, euh, euh, millions, ensuite, je crois, 200 millions, ensuite 250 millions. Ça, déjà, c'est quelque chose d'important. Ensuite, et, vous savez, le Conseil supérieur de la communication a été accusé d'être d'être euh, à la solde du pouvoir. On a dit des tas de choses. Effectivement, comme l'a dit euh, Suleiman, euh, j'ai été vraiment agréablement, agréablement, surpris de voir que ce sont les médias de l'opposition qui ont eu la, le plus de, qui ont été à la première place. Et c'est pourquoi ils se sont tus. Parce que <laughs> vous savez, pour la première fois, tout Autrement, vous pensez. Ah non, mais non, on se connaît dans ce pays. C'est pas. que, voilà ils se tiennent à Caro ils sont très contents parce qu'ils sont en première place. Dounia qui est la télé, euh, la télé du pouvoir, elle est en dernière position concernant les télés, n'est-ce pas Et on a bien expliqué, c'est sur la base des dossiers. Mais j'ai dit, qu'à cela Moi, je vais même qu'on donne de l'argent à tout le monde. Mais quel est le suivi qu'on a fait Moi, c'est ce qui m'intéresserait parce que il y a des organes dans lesquels les journalistes n'ont même pas de salaire. Il y a des organes qui n'ont même pas de journalistes. Vous comprenez Et qui ont eu, et qui là Moi, moi j'aimerais bien que cet argent-là puisse servir à recruter, par exemple, du personnel. Pour ceux qui ont eu 1 million, 2 millions, qu'ils puissent recruter du personnel. Mais vous avez des organes de presse, je parle de la presse écrite puisque c'est ça que je connais. Le, le directeur de publication, il est le journaliste principal. Il est le comptable. Il est le directeur commercial lui-même tous ceux qui rentrent dans sa poche. Mais comment voulez-vous qu'on puisse se progresser Et encore la prochaine année, il fait un même dossier et encore on, lui donne le même fauteuil. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'on sache que ce terrain là a servi à quelque chose. 18 h passées de 59 minutes, Auditeur, et auditrices du studio Kalangou, ici prend fin le forum de la presse de ce soir. Nous étions avec Alej Suleiman, journaliste au journal Le Républicain, Gary Amadou, journaliste au niveau du journal L'événement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Sur ce, je vous souhaite un bon début de week-end. Au